Nous lançons un appel direct, nous interpellons les autorités compétentes, nous interpellons M. le Président de la République du Sénégal, nous interpellons le, monsieur, euh, ministre de l'Intérieur. On en a ras le bol. pourquoi on nous divise c'est une, même, famille. On, ils prétendent que cette partie-là est Yen, cette partie-là est de Djamnyadjo. C'est archi faux, ce n'est pas vrai. Le décret qu'il a dit, il dit que nous Wolof, euh, euh Wolof, s'arrête, Wolof, commence à Wolof. Et c'est très clair dans le décret il n'y a aucun décret qui a été, euh, qui a été dit pour, pour modifier cela. Donc nous, réitérons, notre engagement pour la commune de Djamniadio. Comment se fait-il que nous, notre euh, ASC, nous jouons à, à, euh, Nos budgets émanent de Djamniadio. Notre poste de santé est payé par, le, par la commune de Djamniadio. Notre école, ainsi de suite. Tout notre budget est enclavé dans la commune de Djamniadio. Il n'y a absolument rien de tout qui provient de la commune de, la commune Yen. Ce qui a été euh, joué euh, hier ici, c'est juste c'est de la poudre aux yeux. Il n'y a qu'un lobby qui est là et ce sont des courtiers. Ils ne sont intéressés que par nos terres. Et, ils travaillent de connivence avec monsieur le maire de la commune de Yen. Et sous la passivité, je le répète aussi, du sous-préfet. Depuis son arrivée ici, euh, est divisé. Et il continue de nous diviser. Donc nous lançons un appel direct, nous interpellons les autorités compétentes, nous interpellons Monsieur le Président de la République du Sénégal, nous interpellons le, euh, le ministre de l'Intérieur. On en aura le bol. Je vais l'autorité, en l'occurrence le sous-préfet de Mbambilor, Marcel Mbaye Aujourd'hui, ci ñi responsable diggu yoon bi la tabax def su suba mu jaay dem euh, tati euh, la li mu am yëpp yëpp yëpp yëpp mu ngi ko amee ci suufu nduxuroon loolu ñun du ñu nangu ku balkaniser suñu dëkk ku koy def loolu duñ ko nangu tey donc waaye nañu bàyyi sous préfet nañu bàyyi suñu mënul administrer ni mu mën a nekkee nañu bàyyi ñun ci mairie Diamniadio la ñu nekk tey fa la ñu nekk suba depuis mille à nos jours